monsieur bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour des communiqués du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, notamment les numéros 27 et 28. Ensuite, nous parlerons de la libération lundi 14 août du coordonnateur du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, condamné le 14 avril 2023 par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey à 9 mois de prison ferme et 1 million de francs CFA d'amende. L'actualité, c'est aussi euh, le communiqué euh, du ministère de la Défense nationale au sujet d'une embuscade tendue par euh, des hommes armés dans le département de Torodi, région de Tilaberi. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Issa Madougou, journaliste indépendant. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Ousseini Issa journaliste indépendant également. Ousseini Issa bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Memouna Diado, journaliste indépendante. Bonjour, bonsoir. Bonsoir À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 18 août 2023 par la situation du Niger après le coup d'État du 26 juillet passé. Dans un communiqué lundi 14 août, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a rappelé l'ambassadeur du Niger en poste à Abidjan en Côte d'Ivoire pour consultation. Cette mesure prise par les autorités nigériennes fait suite aux propos qualifiés d'exagération menaçant selon les propres termes du communiqué euh, de Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, relayant et prenant pour son compte, poursuit le communiqué du CNSP, une agressivité notoire, à les conclusions du sommet extraordinaire de la CDAO du 10 août 2023 concernant les mesures et sanctions à l'encontre du Niger et de son peuple. Mamoune Diado, que faut-il comprendre à travers ce communiqué euh, du Conseil national euh, pour la sauvegarde de la patrie Mais Mokhtar, c'est tout à fait normal qu'on rappelle l'ambassadeur euh, qui est en poste au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que comme tu l'as si bien noté, notifié tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, je ne dis pas que la Côte d'Ivoire est en guerre avec le Niger, mais c'est un président qui est en guerre avec le peuple nigérien. Alassane Ouattara, par ses propos qu'il a tenus pour, sur les conclusions, puisque c'est lui qui a donné les conclusions de la rencontre ou bien le sommet, le mini-sommet qu'avait organisé la Mais Il dit que les, ces conclusions engagent tous les pays membres de la CDAO. Bon, si ça engage tous les pays membres de la CDAO, déjà, nous, c'est lui qui a lu le communiqué final. Et comme il lit le communiqué final, moi, je ne vois pas en quoi notre ambassadeur va rester là-bas. Parce que normalement, même si on ne rappelle pas l'ambassadeur, l'ambassadeur, en tant que citoyen nigérien, doit prendre ses dispositions pour revenir au Niger. Parce qu'on ne peut pas rester là-bas et puis insulter tout un peuple et avoir un ambassadeur là-bas. C'est des insultes, c'est des menaces. Mais c'est des insultes, puisque quand tu dis que tu vas en guerre avec un pays, que la CDAO part en guerre avec un pays et que vous décidez à ce qu'on revienne avec l'ancien président de la République, mais est-ce qu'on a vu ça Moi, pour moi, ce sont des insultes. Vous ne pouvez pas vous lever un bon matin et puis exiger un peuple qui a demandé souverainement, en tout cas qui a applaudi ce coup d'État, demander souverainement à ce que les choses changent et que vous, vous voulez mettre en cause ce que les peuples nigériens euh, ont, voulu depuis plusieurs années déjà. Euh, comment a été la réaction des Nigériens ici euh, sur place à Niamey, au Niger, au sujet de la déclaration du président ivoirien Alassane Draman Ouattara Mais comment est-ce que les Nigériens étaient frustrés dans, leur ensemble, même si certains disent qu'ils ont applaudi ce que euh, Ouattara a dit. qui, c'est qui certains On ne peut pas dire euh, que tout le monde était unanime. Certainement ceux qui ont les frustrés de ce euh, pays. Est-ce que c'est, la majorité des Nigériens La majorité des Nigériens ont condamné. Moi, je parle de la, la déclaration. condamné la déclaration, les propos que Alassane Ouattara a, a eu envers le peuple nigérien. La majorité dans son ensemble ceux qui, ceux qui, parce que c'est à, l'encontre du peuple nigérien ou bien à l'encontre des militaires Non, c'est pas à l'encontre des militaires. Les militaires, c'est qui Les militaires aussi font partie de Des Nigériens. Ce sont des citoyens comme nous. Donc, quand on s'attaque à un citoyen nigérien, on s'attaque à tout le peuple nigérien quand même. C'est un peuple. On doit être solide et soudé, uni, en tout cas, pour pouvoir défendre la patrie. Personnellement, vous, vous n'êtes pas, euh, euh, euh, vous n'êtes pas contente. comment est-ce que moi je peux être contente aujourd'hui en tant que citoyen nigérien 100% Comment est-ce que moi je peux être contente qu'un un voisin, un président que moi je considérais comme étant aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire, ce qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Niger, ça date de plus de, combien C'est des, entretien euh, euh, euh, des très bonnes relations. De très, bonnes, relations. On a quand même nos Nigériens qui sont là-bas, qui vivent là-bas paisiblement. On a ici sur le terrain nigérien des Ivoiriens qui vivent paisiblement. Donc on ne peut pas aller en guerre avec un peuple nigérien. C'est pas possible. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis rappelé, je me suis dit, est-ce que c'est même lui C'est le, le président ivoirien qui parle de cette manière vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre derrière euh, le personnage Il n'y a euh, pas quelqu'un d'autre derrière ce personnage parce que ce personnage, aujourd'hui, il est tiré au bout du nez par un président français. Il faut lui dire la vérité. Merci beaucoup, Mme Diado. Hussein Issa à travers euh, le communiqué numéro 27, lu à la télévision nationale, le CNSP dit avoir rassemblé des preuves pour engager des poursuites nationales et internationales à l'encontre du président déchu et de ses complices pour haute trahison et atteinte à la sûreté du Niger. Avez-vous d'autres informations au sujet de cette affaire oh, mais comment je peux avoir d'autres informations Mais vous êtes journaliste C'est un effet d'annonce. Ils n'ont pas donné des preuves d'informations, des petits détails autour de ça. Vous avez cherché des informations Mais même quand on cherche des informations, il faut que ça provienne d'eux les sources fiables aujourd'hui, c'est quand même les membres de, de, oui, bien sûr. Les gens, chacun divague, chacun raconte ce qu'il a envie de raconter. Mais maintenant, c'est en fonction de ce qu'ils disent. Et moi, je ne mets pas en doute ce qu'ils ont dit. En réalité, ça monte un peu parce qu'au départ, quand ils ont laissé les gens avec leur téléphone, les gens ont commencé à les critiquer pourquoi on les a laissés avec les téléphones. Ah, c'était stratégique. Mais c'était une stratégie. Parce que si vous retirez le téléphone, le moyen de communication à la personne, comment vous pouvez trouver des éléments de preuve Et même, j'ai dit quelque part, ils sont naïfs. On vous laisse avec votre téléphone, on vous a fait un coup d'état, on vous met dans un endroit, on vous garde. On vous laisse à votre téléphone, vous avez tous vos contacts dans le téléphone. Vous allez appeler pour appeler à des choses. Appeler qui Mais qui ils vont appeler Mais l'extérieur, les gens qui vont venir au secours. Et y compris donner quel type de mécanisme ou de mesures de sanctions peuvent être prises contre le pays. Voilà toutes ces mesures-là. Est-ce que, des citoyens nigériens peuvent euh, euh, raisonner de cette façon euh, Quand un citoyen nigérien se permet de dire il faut venir bombarder le palais, n'est-ce pas Parce qu'il a perdu le pouvoir. Le palais, c'est pas tout Niamey, c'est un endroit. S'il te plaît, le palais, c'est le symbole du pays. C'est le premier symbole d'un pays. Un palais présidentiel, c'est le premier symbole. C'est eux qui ont mis des milliards pour transformer ce palais-là. Parce que vous êtes en position. De faiblesse de, de perte de pouvoir, vous êtes prêt à ce qu'on vienne détruire. Mais le problème, Mokhtar, quand j'ai entendu un autre parler de frappe chirurgicale, <laughs> non mais, non, je me pose des questions. Parce que ce qu'on entend dans la radio, ce que les médias occidentaux racontent, quand on va taper sur le palais, il y a beaucoup de zones dans la zone de, quartiers, quartier, notamment Yantala, Ganda, Combo, Combo tous ces quartiers-là hôpital national. Toute cette zone-là va être une zone invivable parce qu'il n'y a pas de frappe chirurgicale qui vaille. C'est faux. C'est faux. Quand les avions bombardent au ciel, il ne peut pas avoir de précision. mais, est-ce que les militaires vont les regarder comme ça, venir bombarder non, Quand c'est un bombardement aérien, il faut avoir peur. Aujourd'hui, la guerre se fait par les airs. Le bombardement aérien, ça a toujours fait des dégâts, y compris quand on a pu détruire l'Irak c'est à travers des bombardements aériens. Quand on a pu détruire la Libye, ce n'est pas par le sol qu'on a pu détruire Mais, ces pays sont actuellement invivables. Hein. mais, alors, mais, euh, alors, mais ces gens qui appellent à ce qu'on détruise le Niger. Mais, qui va venir détruire le Niger Mais leurs alliés. La France était... Ont-ils des alliés à part les populations nigériennes Non, non, les Niger ne comptent pas. Tout ce qui s'est fait là, les manifestations, tout ça, ça compte pas. C'est des gens qui ne représentent rien du tout. Ils l'ont toujours dit. Quand ils étaient en position de pouvoir, ils ont toujours dit non, c'est quelques marginaux sur les réseaux sociaux qui, ne ça compte pas. Aujourd'hui, ils sont en train de voir, y compris, y compris ceux-là qui sont là tapis au niveau de la CDAO. Parce qu'aujourd'hui, ça montre aussi c'est quoi la CDAO. La CDAO a cessé d'être une structure, une organisation qui est là pour défendre l'intégration l'intégration économique. Quand la CDAO peut accepter à ce qu'un peuple soit asphyxié, parce que quelques individus sont en situation. Y compris les produits pharmaceutiques. Hein. Tout, tout, tout. Alors, à partir de ce moment, ça sert à quoi cette organisation Parce que, quand, dans tous les cas, ils pensent que. Parce qu'ils ne veulent pas voir la vérité et la réalité. Le coup d'État, là, ce n'est pas venu de l'extérieur. C'est un coup d'État qui a été fomenté à l'interne. N'est-ce pas il y a eu une brimade, il y a eu des frustrations. Ils ont vu, il y a eu mal gouvernance, il y a détournement. La CDAO, il y a l'insécurité aussi, la mauvaise gestion de l'insécurité. Aujourd'hui, ça a permis aux Nigériens de découvrir qui sont les patriotes, qui ne le sont pas. On a fait exiler des gens, des citoyens nigériens. On les a fait exiler, mais ils ne sont jamais allés dehors pour dire il faut mener telle pression sur le Niger, il faut faire ceci, cela. Aujourd'hui, les gens découvrent qui aiment ce pays, ou qui, aime, qui veut vivre ce pays et contrôler le pays pour juste ses intérêts personnels ou leurs intérêts personnels. Aujourd'hui, les gens ont découvert. Les Nigériens ont découvert, y compris les gens qui sont avec eux. Parce que quand on aime son pays, quelle que soit l'adversité à laquelle on se retrouve confronté, on ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de venir prendre des armes et puis venir bombarder ton pays. C'est ce qu'on est en train de vivre là. Ou des gens qui ont géré pendant 15 ans qui disent que les gens ne peuvent pas tenir. Parce que tout simplement, ils, ont demandé à ce qu'on ferme les robinets, qu'il n'y ait plus d'argent, qu'on ferme les, frontières pour que les gens crèvent de faim. Parce que tout simplement, il faut qu'ils reviennent au pouvoir. N'est-ce pas C'est ça la logique, leur logique. Alors, je me pose bien des questions. Ces gens, mais alors, si on fait tout ça, au cas où même ça réussit, ils vont gérer qui Parce qu'il va falloir mettre une force d'interposition entre eux et les Nigériens. Quand la CEDAO peut parvient à les, restaurer dans leur pouvoir, il faut une force d'interposition étrangère. L'armée est avec le peuple. Alors, qui va les gérer Qui va les surveiller Merci Non, ils de vue ça. Parce qu'ils ont pensé que en démantelant, parce qu'ils ont démantelé toutes, les structures, ils ont démantelé pendant 12 ans de règne, ils se sont amusés à démanteler tout. Société civile, médias. Parti politique. Parti politique. Pour, en pensant que, y compris l'armée, en pensant qu'ils peuvent être protégés par l'extérieur. Mais l'extérieur ne vise que ses intérêts. Aujourd'hui même, la France est en train de faire machine arrière. Quand elle a vu qu'il n'y a plus personne pour l'option, pour l'option de, bombardement pour pouvoir implanter, restaurer Bazoum et tout. Merci beaucoup, Hussein Issa Issa Madougou. Une délégation du CNSP conduite par le général de brigade Moussa Salobarmou, chef d'état-major des armées, était samedi à Conakry, en Guinée, où elle a été reçue en audience par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Que peut-on savoir au sujet de ce déplacement d'une délégation du CNSP dans le pays du président Ahmed Sekou Merci. Pas très d'informations filtrées par rapport à ça. Je crois bien que ça rentre toujours dans le cadre des missions qui ont été effectuées à Bamako et à Ouagadougou, juste dans le cadre pour remercier un peu la promptitude de leur soutien face aux événements du Niger comme l'a souligné, euh, ce qu'on a suivi sur les ondes de la télévision guinéenne et de la télévision nationale du Niger, euh, dans les propos linéaires du général Salao, c'est aller remercier et réitérer vraiment la gratitude et toute la reconnaissance des responsables du CNSP à l'endroit des autorités guinéennes. Donc moi je pense que c'est... C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui vous soutient dans une situation de crise, il faut aussi lui rendre hommage et lui témoigner sa, toute sa gratitude. Donc, c'est bien normal d'effectuer ce genre de déplacement. Selon vous, qu'est-ce qui peut y avoir en dessous des tables Qu'est-ce qui peut y avoir Mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où tout ne sera pas étalé sur la table parce qu'il faut être stratégique. Tout à l'heure, vous parlez de de l'intervention militaire pour la restauration du régime déchu. Euh, les chefs d'état-major qui sont en consultation à, Accra disent avoir gardé toujours l'option d'intervenir au Niger au cas où il n'y a pas un dénouement heureux aux négociations avec euh, la CDAO. Donc, c'est une stratégie qu'il faut mettre en place avec tous ces pays-là qui ont déclaré être en guerre tant que le Niger sera Victime d'une agression. Parce que... Issa euh, dans la délégation du CNSP, il y a des opérateurs économiques, hein. euh, puisque le port euh, le plus proche du Niger, le port de Cotonou, a été fermé pour le, Niger, Togo, Ghana. Est-ce que ce n'est pas aussi dans cette démarche, le cadre de l'utilisation du port de Conakry Franchement, je n'ai pas cette information, Mokhtar. Je n'ai pas cette information. Je est-ce que ça peut être euh, l'objet euh, de ce déplacement Moi, je ne veux pas aller dans un sens d'analyse de, que je n'ai pas les faits et les événements. Mais tout ce que je sais de comprendre, c'est que c'est une dynamique. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la situation dans laquelle se trouve le Niger et le soutien que le Niger est en train d'avoir de la part de ces trois pays et que sont le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et il faut aussi noter l'Algérie témoigne un peu des liens qui nous, qui nous ont réunis depuis des années. Donc ce qui veut dire que si les autorités se rendent là-bas, eh, c'est tout à fait normal. Issa Madougou, une délégation du CNSP conduite par le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen était également mardi à N'Djamena au Tchad. Euh, que peut-on savoir au sujet de ces déplacements aussi euh, du CNSP euh, dans le pays du maréchal Idriss Déby Itno Mokhtar, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous tous ces déplacements-là, c'est stratégique. C'est stratégique, mais vous savez, euh, on est en train de, de, porter des menaces de guerre contre le Niger. C'est bien normal dans ce genre de situation d'avoir des alliés sûrs sur qui vous pouvez compter. Vous avez entendu bien avant, dès qu'il y a eu le, sommet du 30 juillet de la CDAO avec euh, cette batterie de sanctions et cette option militaire qui a été brandie, et au lendemain, aussitôt, vous avez entendu les propos du ministre tchadien de la Défense qui avait été clair sur la question pour dire que le Tchad n'interviendra pas au Niger. Mm. Nous n'allons pas faire la guerre aux, au Nigériens. Nigérien. Ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont nos familles. On ne peut pas aller. Donc, c'est peut-être c'est dans cette dynamique aussi que le Niger est en train de vraiment de faire un repositionnement stratégique avec tous ses voisins qui l'ont soutenu dans cette dynamique. Aujourd'hui, quand on prend à part ces deux voisins-là, le Bénin et le Niger, le Niger bénéficie aujourd'hui du, soutien de tous les pays qui existent en dehors de la Libye, parce qu'en Libye, on ne peut pas parler d'État, parce que c'est toujours la pagaille, le chaos qui règne avec des gouvernements distincts. Donc tous les pays qui ont aujourd'hui des États, proprement dit, comme dans le, le fond et la forme, soutiennent le Niger dans cette. C'est pas le cas au Nigeria. C'est ce que j'ai dit. Si vous avez, bien écouté, j'ai dit en dehors des deux. Du Nigeria, Le Niger bénéficie du soutien du Burkina, du Mali, de l'Algérie et, du, Tchad. Donc, ce qui veut dire que c'est un positionnement stratégique qu'il faudrait faire consolider ces liens. Et puis, ce qui est consommé est consommé. Aujourd'hui, on a vu même les derniers communiqués, sorties médiatiques des diplomates américains l'option militaire n'est plus de l'actualité. On a vu le Conseil de sécurité de l'Union africaine qui a tenu une réunion très houleuse où les gens se sont dit la vérité là-bas. Et ils ont dit que ces ne soutiennent pas cette option militaire. Ils demandent qu'il y ait des voies diplomatiques parce que quand on essaie de regarder dans le fond aujourd'hui, que ce soit les sanctions, que ce soit cette intervention militaire, il n'y a pas de base juridique solide pour permettre tout cela contre un pays. Pour finir, par rapport aux, sanctions, vous savez, dans le traité, donc, ils sont en train de brandir A bar SP 1 bar 12 2001. C'est-à-dire, il y a une partie où on dit, même en cas d'application de ce traité, des pays insulaires ou des pays qui n'ont pas de, de littoral doivent bénéficier d'un traitement de faveur parce que leurs économies sont faibles. Et le Niger se trouve dans cette situation. Donc, ils n'ont pas tenu compte. Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'ils ont pris. C'est illégal. Non, il n'y a pas de base juridique. Ils l'ont pris en fonction de leurs humeurs. Et ce qu'on demande au gouvernement aujourd'hui, c'est que c'est de tenter un recours contentieux au niveau de la Cour de justice de, de l'UOMOA contre la BCAO pour le gel et les dommages et, par rapport aux pertes subies par les opérateurs économiques, les entreprises subies. Au niveau de la CDAO, pour la fermeture des frontières contre le Bénin et le Nigeria, pour avoir enfin une directive de la CDAO, à savoir la, mobilité mobilité, la libre circulation des, personnes, de leurs biens. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Au Niger, la condamnation de l'acteur de la société civile Abdullah Seydou a été annulée en appel au cours de l'audience euh, du lundi 14 août 2023. Il vous souviendra que le 14 avril 2023, euh, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a condamné Abdullah Seydou à neuf mois de prison ferme et un million de francs CFA d'amende euh, pour production et diffusion des données de nature à troubler l'ordre public. Ces accusations sont en lien avec les dénonciations faites par le M62 des violations des droits de l'homme imputables aux forces de défense et de sécurité du Niger sur les populations civiles lors de leurs opérations militaires à Tamou, département de Saï, région de Tilaberi, le 24 octobre 2022. Hussein Issa que peut-on savoir au sujet de cette affaire juridique Je vais commencer d'abord par apporter une précision par rapport à ce que Samadou vient de dire. Par rapport, euh, par rapport au déplacement du Premier ministre au Tchad. Il est parti au Tchad parce que le Tchad, c'est une ouverture. Le Tchad, c'est un pays qui est dans la zone franc. Quand la CEDAO se permet de nous couper les vivres, on peut faire l'ouverture. Et vous avez vu, le ministre des Affaires étrangères gabonais mm-hmm. est venu présenter, comment diriger avec une lettre ici. Mm-hmm. Alors, on peut avoir, si la CdaO peut penser qu'on peut nous étouffer. Mais bien sûr, on peut utiliser parce que c'est historique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, il faut faire l'ouverture. Si vous considérez que vous allez nous étouffer, ce n'est pas possible. Alors, maintenant, concernant un peu la. Le feuilleton judiciaire autour de la libération. quel judiciaire Ça montre juste une chose. Ça montre juste une chose et moi, j'ai dit, les gens doivent se donner les moyens de faire ce combat à l'occasion de cette nouvelle ère de transition qui s'ouvre. Quel combat Le combat de la justice indépendante. N'est-ce pas Il faut que les gens fassent ce combat-là. Il faut que la justice soit véritablement indépendante parce que Abdel Seydou a été envoyé en prison à tort. N'est-ce pas je ne vois pas ce qu'il a posé comme acte qui puisse amener un juge à le condamner à 9 mois de prison. Parce que tout simplement, il faut que la justice soit véritablement indépendante. Oh, oh. que les juges se disent que... Non, non, non, je veux dire, laisse-moi mhm. finir, n'est-ce pas Il faut que les politiques soient dissociés de la justice. Ta carrière-là ne doit pas dépendre en tant que juge d'un homme politique. Il faut qu'on crée les conditions, qu'on mette les balises nécessaires pour mettre fin à tout ça. Y compris au niveau des autres institutions, cours constitutionnelles. Tout ça, il faut mettre des balises pour que ce soit une véritable institution indépendante. regardez comment la précipitation avec laquelle on le libère. Alors qu'il est allé pour faire ses neuf mois de prison. Parce qu'il y a coup d'État. Il n'est pas que lui qui a été libéré euh, après, après, après la chute du régime. Il y a Mega, qui a été injustement arrêté. Alors, parce que tout simplement, les gens au pouvoir considèrent que la justice, c'est notre justice. Il faut que la justice cesse d'être la justice d'un camp au pouvoir. C'est le, combat, le combat le plus important à mener et moi, je suis en train de faire la sensibilisation autour de ça. Il faut que les acteurs politiques se disent, où on veut une démocratie pérenne, on crée les conditions pour qu'il y ait une justice indépendante, véritablement indépendante de tout autre pouvoir ou bien on va continuer où chacun veut vouloir contrôler. Alors à ce moment, ça va être le même machin. On va être au bout, au bout d'un certain nombre d'années, on va retomber dans les mêmes travers. Parce que si la justice fonctionne dans un pays, où la justice est indépendante vis-à-vis de l'homme politique là, qui peut penser que parce que je suis en position de pouvoir, je peux manipuler un juge pour enfermer quelqu'un, je peux manipuler un juge pour ne pas inquiéter des voleurs. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge, il faut que les gens le comprennent. Donc, selon vous, la, transition a beaucoup de travaux. C'est le travail qui a manqué à l'occasion de toutes les transitions, c'est le travail qui a manqué, le travail pour l'indépendance véritable de la justice. C'est la justice le premier pilier dans une démocratie. Il faut que les gens cessent de croire que c'est. Non, c'est d'abord la justice. Quand la justice est véritablement indépendante. Aux États-Unis, ça fonctionne parce qu'il y a une justice indépendante. Aucun homme politique ne peut influencer un juge en France, dans les pays occidentaux, c'est parce que la justice est véritablement indépendante. Mais si on doit continuer avec des juges qui sont capables de dire ma carrière dépend, tu vas jusqu'à prendre la carte de parti politique. Le juge n'a pas à prendre carte de parti politique. Le juge doit être indépendant. Sa carrière ne doit pas dépendre d'un homme politique. Parce que l'homme politique est passager. Le juge a une carrière et le juge doit refléter comment ça s'appelle. Qui doit le rempart contre l'arbitraire. qui doit équilibrer la vie en société. Quand le juge devient partisan, alors, à, partir de ce moment, il n'y a plus de justice. Tout ce qu'on a vécu au cours de ces dernières années, n'est-ce pas Où on, décide parce qu'un homme politique a décidé, il faut disqualifier tel acteur politique. Alors, on devient quoi quand la justice reste dans, dans une situation d'instruction, il faut qu'on ait tous les juges pourris, rip. Merci beaucoup. Il faut en finir. Moi, je considère que c'est ça la mission principale que le CNSP doit se donner comme mission avec les populations. Il faut créer les conditions pour que la justice soit vraiment une justice indépendante, véritablement, qui ne dépende de qui que ce soit. Merci beaucoup, Hussein Issa Jibo, Issa Madougou. Abdoulaye Seydou est poursuivi pour euh, euh, publication d'un rapport accusant l'armée euh, d'avoir tué des civils dans un bombardement en riposte à une attaque terroriste. Quelle est votre opinion au sujet de cette affaire mais comme euh, a eu à le dire, cette euh, affaire, ça s'est déroulé d'une manière où tous les Nigériens pris de justice étaient surpris de voir la manière dont même le ministre de l'Intérieur à l'époque a fait de cette affaire une affaire personnelle. Quand même, on est dans un état. Si vous devrez poursuivre, parce que le jour où il a été arrêté, même, il était parti à la justice. Mais il allait sortir de la justice. On l'avait libéré, qu'on l'avait encore pris. Mais tout ça, là, démontre la nécessité que notre justice doit être réformée pour qu'elle soit indépendante. Il faut rendre l'indépendance à la justice nigérienne. C'est pas parce qu'il y a certains juges indélicats qu'on pense que c'est tous les juges qui sont comme ça. Non, ce pays regorge de juges intègres. C'est juste parce qu'ils disent le droit qu'ils ont été écartés ou on essaye de leur faire du chantage. Il suffit seulement qu'on donne à ces juges leur indépendance, vous verrez. Mais est-ce que, l'indépendance se donne Est-ce que ce n'est pas à, eux, magistrats, de lutter pour que euh, la justice soit euh, véritablement indépendante Mokhtar, il faut arrêter d'aller dans des débats qui ne sont pas la démocratie aujourd'hui que les gens chantent démocratie, démocratie. Pour asseoir une bonne démocratie, il faut qu'il y ait une justice indépendante. Il faut qu'on arrête aussi dans ce pays. Vous l'avez vu, combien de fois même les magistrats Vous pensez que les magistrats à eux seuls et les juges, là, quand ils font leurs revendications, s'il n'y a pas un accompagnement populaire, ça peut réussir. C'est seul le peuple qui peut amener le plus souvent à faire fléchir les, autorités publiques. Mais à eux seuls, on va les regarder, on va essayer même, ça va sortir le prochain conseil de la magistrature, tu vas voir, eux tous, on va les envoyer dans les campagnes. Dans les campagnes, mais c'est toujours le Niger. Oui, c'est toujours le Niger. On va les faire éloigner d'un des, des, centres urbains où on sait qu'on aura à faire des affaires qui ne sont pas du tout claires, où on va ordonner à certains juges d'inculper les gens, d'envoyer les gens, parce qu'on va leur dire, nous, l'objectif, c'est qu'ils partent en prison. Il faut faire partir la, la personne en prison. Mais c'est ce genre de choses que, par exemple, au Niger, ça fait partie des choses qui ont mobilisé les populations autour, de la, autour du CNSP. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a eu le vraiment le soutien parce que les Nigériens avaient soif de justice. C'était cette injustice qui a été brandie pendant ces dernières années qui a fait en sorte que les Nigériens, à un moment, ont arrêté de croire même à l'État nigérien. L'État de droit pour eux, c'est factice. Parce que ils n'ont même pas les libertés sont, sont mis entre guillemets. Tu n'as plus ton opinion à dire. Et c'est une démocratie de façade et cette justice ne fait plus son travail puisque on essaie chaque fois d'intimider certains juges et moi, ce que je pense, il faut que dans la réforme, avant d'aller dans toute chose, il faut que les autorités du CNSP pensent à cela d'abord. Il faut qu'on essaie de rendre à la justice son indépendance afin que les Nigériens puissent vraiment être à l'aise. Et c'est ça qu'il y aura un encadrement et le respect des textes que le Niger s'est librement donné. Merci beaucoup Issa Madougou. Diado, dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur à l'époque avait indiqué que le site en question servait de refuge aux hommes armés et qui y cachaient leurs armes. Euh, comment l'expliquer comment l'expliquer Celui qui a voulu expliquer les choses aussi s'est retrouvé <laughs> en prison parce que tout simplement, il n'y a pas une vérité absolue là-dessus, ce que le ministre de l'Intérieur avait avancé. Parce que quand ils ont fait euh, l'état des lieux, quand ils ont regardé, il y avait plus de, civils aussi qui se sont retrouvés, qui ne sont pas des terroristes, parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde est terroriste quand même. Ce sont des orpailleurs. Si, si vous connaissez, vous connaissez que c'est la cachette la cachette des, des, djihadistes qui sont là-bas. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas, de la même manière que vous voulez aujourd'hui, avec euh, cette complicité de la CDAO, venir mettre un président, revenir avec... Euh, les pour aller faire des vidéos, pour faire démentir le rapport produit par les OSC. Oui, c'est ça. en fait. Non, c'est à peu près ce que je voulais dire, ce hmm. que, ce que Issa est en train de dire. C'est aujourd'hui, rien, nous, en tout cas, moi, j'étais pas convaincu à aucun moment quand le ministre de l'Intérieur est sorti pour dire que c'est l'Égypte des terroristes là-bas. Mais celui qui a fait un bon rapport, <laughs> il s'est retrouvé en prison parce qu'il a dit la vérité. Et on ne voulait pas de cette vérité. On ne voulait pas que les Nigériens sachent ce qui s'est réellement passé là-bas. Et, du coup, voilà, aujourd'hui, il est libéré. Il est libéré comment Mais il est libéré parce acquitté. je dis, aujourd'hui, celui qu'on a accusé on a accusé sans fondement, sans rien, sans truc, parce qu'il a dit une vérité, aujourd'hui il s'est retrouvé, il est libre aujourd'hui. Mais comment faire en sorte que la justice soit véritablement indépendante eh, Il faut refonder, il faut refonder la justice là. dit l'a dit, Issa l'a dit, et moi aussi, je suis, il faut organiser les États généraux de la, justice. Mais il y a eu dans ce pays euh, ah. les États généraux de la justice. Maintenant là, maintenant là, c'est. On va plus faire comme le temps du CSRD <laughs> avec ce conseil. non, non, c'est autant de Issoufou, dans le premier mandat de Issoufou, on a, fait les États généraux de la justice. attends laisse-moi dire une minute se fout. Vous n'avez pas la parole, laissez-la finir. Non, non, non, non. On, est, on, est, on est, dans une période d'exception. Tout ce qui a amené le problème de ce pays-là, c'est la transition du CCRD. Le Conseil consultatif a été tellement infiltré, même le système politique, le système d'élection. Le par qui Non, par les politiciens. Par les politiciens, je parle des politiciens. Quand ils, sont, ils se sont retrouvés là-bas, même ceux que les gens dénonçaient n'a pas été traité. Les gens se sont retrouvés avec des choses que toujours les gens ont décriées dans ce pays. Et je pense que aujourd'hui, les patriotes les Nigériens, les citoyens avertis doivent être vraiment investis de ce rôle pour dire aux autorités de la transition qu'il faut des réformes profondes. Dans la, d'abord la moralisation. Vous l'avez déjà dit. Merci beaucoup, Issa Rapidement, mais, aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, avec cette libération, ça prouve que la justice a toujours été instrumentalisée par les partis, par les, oui, oui, par, par, ceux qui sont au pouvoir. Voilà. C'est ça. Ils ont, ils ont en fait mis la main, une même mise, ils ont une même mise sur cette justice. L'appareil judiciaire. Oui, oui l'appareil judiciaire où il faut affecter des gens, où il faut, par leur euh, opinion, ce ne sont pas des opinions, en tout cas, euh, qui va avec les convictions de, ceux qui sont au pouvoir. Donc il faut les faire taire, il faut les embastiller, il faut les éloigner, mais c'est comme ça. Merci beaucoup à tous. On a vécu le système, là, on a vécu le système. Merci beaucoup à tous, on a servi une courte pause. 17 militaires sont morts au Niger mardi 15 août 2023, tandis que 20 autres blessés suite à une embuscade tendue par des hommes armés dans le département de Torodi, région de Tilaberi, rapporte un communiqué du ministère de la Défense nationale. Selon la même source, le bilan provisoire établi est de 17 décédés, 20 blessés, dont 6 graves évacués tous en Niamey, dans les rangs de l'armée. Euh, du côté ennemi, il a été enregistré deux colonnes de plus d'une cinquantaine de motos, euh, chacune détruite, ou soit une centaine de terroristes neutralisés au cours de leur repli. Hussein Issajibo, avez-vous d'autres informations au sujet de cette attaque Ce qu'on peut faire comme lien entre cette attaque et l'attaque de Burkou Burkou, il y a un lien évident à faire le CNSP est sorti pour dire voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les Français sont menacés d'expulsion. On leur a dit de quitter. Les Français ou l'armée française Oh, l'armée française, quand je parle des Français, moi je parle de l'armée, je parle de, de, de, ceux qui s'agitent là. Alors, il faut créer une situation de, je ne sais pas moi, parce que ce qui me choque davantage, oh, il faut créer une situation de psychose. On va s'en aller, voilà ce qui est en train de se passer, depuis qu'on nous a menacé de partir, voilà. J'ai vu même des ex-dignitaires en fuite. Allez, dit, euh, l'espace de deux semaines, ils ont, ils ont essuyé cinq attaques de pochons. Ce monsieur n'a pas honte. Il n'a véritablement pas honte. Tout ce qu'on est en train de vivre en termes d'insécurité dans cette zone-là, c'est grâce à leur mal gestion, leur gestion catastrophique de la, situation, situation sécuritaire. C'était devenu karma une affaire banale pour eux. On pouvait venir tuer. Juste avant le coup d'État, on avait assassiné 14 paysans dans leur champ. Dans l'Anzourou. Le ministre de l'Intérieur se déplace pour aller dire il faut prier Dieu pour que la situation s'améliore. L'ex-ministre de l'Intérieur. L'ex-ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas On te tue 14 personnes, tu as le courage d'aller dire aux populations prenez patience, un jour ça va finir. Aujourd'hui, ce n'est plus la comparaison entre ce qui se passe au Burkina ou au Mali. C'est la comparaison entre ce que quand ils étaient là et quand maintenant ils ne sont plus là. Alors, ce n'est pas malhonnête ça. Ce n'est pas honteux de la part de quelqu'un qui a eu à diriger un pays pendant combien d'années 14 à 12 ans, c'est quand même honteux. Alors, on est dans une situation où l'armée est prise sur deux fronts. Il y a les menaces d'attaque externe de la CDAO, il y a la, euh, menace, intérieure des, groupes armés. Des, groupes armés. Alors, ils sont partagés entre ces deux fronts-là. Il y a une baisse de vigilance qui inévitablement. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on va fouiller par rapport à la complexité de cette attaque, de cette embuscade, on va trouver la main de ces gens-là qui alimentent ces djihadistes-là. Vous n'avez aucune preuve. Attends, quand on va investiguer, j'ai dit, mais non, moi. Mais qui, va investiguer Non, euh, mais, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils vont investiguer et ils vont sortir les preuves. Le Mali l'a fait, hein. Le Mali l'a fait, c'est ça, aux Nations Unies, on a Lors de l'attaque de Burkou Burkou, ah. quand même, ils l'ont fait. Dit, ils ont ils dit. Ils ont compris qu'est-ce qui s'est passé. Alors, le démenti, de la, France le démenti de la France a été un démenti laconique. Ils n'ont pas pu apporter. Et ce que les militaires ont dit, c'est des gens qui étaient sur le terrain, c'est des opérations, c'est des militaires de terrain. C'est pas la plupart d'entre eux, c'est des gens qui sont venus de l'intérieur. C'était pas des militaires de salon, hein, comme aiment les, appeler certains. Ils étaient sur le terrain, ils savent ce qui se passe, ils savent les renseignements qui sont donnés et tout et tout. Aujourd'hui, ils sont en train, et c'est sûr, ils vont sortir ces informations-là. Il faut créer une situation de psychose parce que ces gens-là, quand quelqu'un peut dire, il faut venir bombarder chez moi pour me ramener au pouvoir. C'est qu'il est d'accord aussi qu'on tue pour légitimer que forcément, il faut que je sois là. Mais vous avez été là pendant combien d'années Vous avez été incapable d'assurer un minimum de sécurité aux populations. Merci beaucoup. Moi, je ne fais pas d'illusion. On est dans le bon chemin. D'ici peu, quand la situation va se stabiliser à l'interne, le Burkina Faso, le, Niger, le Mali, on va prendre ces gens-là en sandwich. Ils vont disparaître ces Merci beaucoup, qui sont en train de nous nous, nous, nous, embêter de pourrir la vie aux populations, on va en finir. Merci beaucoup, c'est une situation qui a été montée de toutes pièces dans pays. Merci, merci beaucoup. parce que c'est arrangé Gado, cette nouvelle attaque intervient dans un contexte de dégradation de la situation humanitaire dans le département de Torodi. La localité accueille déjà plusieurs villages. Des personnes qui ont fui les violences perpétrées par euh, les éléments présumés des groupes armés non étatiques euh, présents dans la région de Tilaberi, dans un contexte de travaux champêtres aussi. Y a-t-il des risques liés à cette situation il y a des risques liés à cette situation, <laughs> Mokhtar. Euh, je ne peux dire que, en fait, déjà, euh, avant même euh, euh, l'avènement du coup d'État, les populations de Torodi étaient menacées de, quitter. Il y a d'autres. villages environnants. Les qui se sont retrouvés ici à Niamey, éparpillés un peu partout. Donc, <laughs> ils étaient sur le point de chercher une solution quand c'était arrivé, le coup d'État. Mais maintenant, Dans un contexte de travaux champêtres, est-ce que... de travaux champêtres, mais c'est ça, c'est ça le gros problème. C'est que ces gens s'attaquent au moment où il ne faut pas attaquer. Au moins, il ne faut pas attaquer. Oui, quand je dis au moins, il ne faut pas attaquer, c'est, en tout cas, il faut laisser quand même ces gens-là trouver de quoi manger. Parce qu'on attaque, on vient, on les enlève de leur habitat, on les expulse de l'autre côté. Mais c'est moi, je me dis, hein, c'est seulement ce que Hussein a dit là. Moi, je suis un peu, je suis aussi d'accord avec Hussein. C'est la même stratégie que d'autres ont utilisée au Burkina Faso, au, Mali. Après, euh, c'est la même chose que après le retrait faire, euh, C'est la euh, même chose qu'ils veulent faire. Ils veulent imposer au Niger, montrer que on leur a demandé de quitter. Et voilà que la situation s'embrasse. Donc, il faut mettre la psychose dans la tête de ces populations pour que les gens commencent à dire que non. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est les Français. Les Français étaient bel et bien en train d'aider. Hein. L'armée française. était bel et bien en train d'aider ces, peuples-là pour se débarrasser de ces djihadistes-là. C'est juste ça. Et moi, je suis d'accord. Quand ils vont finir avec euh, euh, cette situation de la CDAO, la situation politique, la situation politique de la CDAO, ils vous auront, en tout cas, la gente aura le regard sur l'insécurité et dans d'autres zones là pour pouvoir faire d'autres stratégies de lutte. Merci beaucoup Memouna Diado Issa rapidement. Euh, quelle est votre opinion au sujet de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de euh, Telabéry de façon générale <laughs> Ça fait rire. Non, mais c'est votre question. Dégradation de la situation. Ce mm. n'est pas maintenant que la situation s'est dégradée. Moi, ce que je dirais par rapport à cette, à cette situation, il ah, faut qu'on fasse très très attention parce que il y a une industrie de, désinformation qui s'est mise en place. Industrie de désinformation par qui oh. Attends, si tu oui, pas oui, rapidement, rapidement. Il faut que les gens fassent très très attention parce que dans ce contexte, la vraie information est devenue une denrée rare. Il y a une certaine industrie de désinformation qui est mise en marche, qui véhicule des informations par rapport à des attaques par-ci, par-là. Quand on connaît avant, ça fait plusieurs années par rapport à la situation de Tilabere sur ce même plateau-là. Moi, personnellement, depuis 2018, j'étais là, je vous ai alerté dans les débats sur la situation sécuritaire ou le long de la frontière dans les départements de Banibongo, Bongo, Ayeru, au niveau du, du Gorouol, de Torodi de faire très attention. On l'a alerté comment Parce que on disait qu'il faut faire très attention jusqu'à avant qu'il y ait l'attaque fatale de, et la deuxième attaque fatale de Inates. Sur ce plateau-là, tu es là pour leur dire. Donc avant, on ne prenait pas. Mais maintenant, ce qui est plus écœurant, c'est qu'aujourd'hui, on voit la circulation de fausses informations tendant a créé la psychose. ces, informations sont véhiculées par le qui Le plus souvent, c'est par les utilisateurs de VPN qui ont des faux comptes qu'on n'arrive même pas à où les autres qui sont installés à l'extérieur, qui aujourd'hui sont devenus des communicateurs attitrés de ce groupe terroriste. C'est des, Nigériens ou bien des... Là, on trouve des Nigériens dedans, on trouve des faux profils avec des noms bizarres dedans qui sont en train de relayer ces genres d'informations aujourd'hui. Mais attends, moi, la question que je me pose, à ces gens-là Quelle est la plus-value pour leur vie de célébrer la mort d'innocentes personnes Qu'est-ce que vous gagnez dedans Aujourd'hui, de relayer des mensonges pour juste créer la psychose et apeurer les Nigériens. Qu'est-ce que vous gagnez dedans Parce qu'aujourd'hui, le, le rôle. Réalité. oui, c'est une réalité. Le rôle qui revient aujourd'hui, que ce soit pour les professionnels de l'information, pour les citoyens averti. Pour les intellectuels, c'est de vrai à ce qu'aujourd'hui, la vérification des faits, des événements soit une priorité dans les groupes les groupes de réseaux sociaux où nous nous trouvons pour vraiment apporter la vraie information parce qu'elle est devenue une denrée rare. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à toute cette situation, si on n'arrive pas à livrer la bonne information à nos populations, je pense qu'on ne rend pas service à ce Niger. Il faut contrer cette désinformation parce que pour finir, la désinformation là, elle est plus terrible que même le terrorisme parce que là, elle corrompt les esprits elle, rend, elle, rend l'esprit des gens vraiment obscur et à les amener dans des situations extrêmes qui ne sont pas honneur aux valeurs de la République. C'est pour cela aujourd'hui, nous devrons tous se concentrer pour barrer cette route à cette désinformation qui prend de plus en plus l'ampleur dans notre pays. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités Issa Madougou, journaliste indépendant, Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant, et Memouna Diado, journaliste indépendante également. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dimanche dès 17h sur euh, nos 52 radios pour suivre euh, l'actu des jeunes euh, suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Oussa et dimanche celui en Zarma. Merci à la technique côté son assuré par Abdelkader Chombiano et à la réalisation Lawali Issa. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.